le forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio 15 minutes à Niamey. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre écoute au programme du studio Kalangou diffusé chaque jour à travers notre réseau dynamique de 38 radios partenaires couvrant toutes les huit régions du Niger. C'est l'heure du forum de Kalangou, votre rendez-vous journalier de débat radiophonique en français sur des questions d'actualité ou de société que vous vous posez régulièrement. Le thème que nous vous proposons aujourd'hui est la justice nigérienne, historique et organisation. Depuis la période coloniale, le système judiciaire du Niger a connu une grande évolution dans son organisation. L'article 116 de la Constitution du 25 novembre 2010 détermine les principales juridictions à travers lesquelles ce troisième pouvoir est exercé en République du Niger comment la justice a évolué au Niger pendant la période coloniale, qui en étaient ses acteurs, à quel moment le Niger a connu sa première juridiction et comment se faisaient les jugements pour les affaires en appel. Quelles sont les grandes modifications et transformations que connaît le fonctionnement de la justice ces dernières décennies La justice est-elle réellement aujourd'hui accessible à tous les citoyens quelle est la hiérarchie actuelle des institutions judiciaires au Niger Pour répondre à toutes ces questions, nous avons avec nous dans ce studio un magistrat, Moussa Douma Hamidou. Il est par ailleurs le directeur des affaires civiles, coutumières et des ordres professionnels au ministère de la Justice. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir. À la présentation de ce forum, Michel Deji. Nous allons commencer avec euh, cette euh, genèse de la justice moderne au Niger. Monsieur le directeur, comment a évolué la justice euh, au Niger pendant la période coloniale Merci. je vais d'abord tout d'abord vous remercier pour l'opportunité que vous m'offrez pour euh, m'entretenir avec euh, les auditeurs de la radio sur un sujet aussi important que le sujet relatif à la justice. Ceci étant, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, donc le service de la justice était euh, dans les colonies françaises assuré par des tribunaux du premier et du second degré placés sous l'autorité d'administrateurs coloniaux, avec compétence à l'égard des seuls indigènes sujets français, parce qu'on distinguait entre les indigènes et les citoyens français. Mhm. Les indigènes relevaient de tribunaux, des, juridictions qu'on appelle tribunaux de premier degré. Quand on parle des indigènes, ça veut dire ceux du Niger oui, les, indigènes, ce ne sont pas les citoyens français. Du Niger. Mhm. Voilà, ce ne sont pas des citoyens. parce qu'il y a les citoyens français qui sont les, colons, mhm. qui sont déplacés, plus maintenant des assimilés, des Nigériens qui ont eu le statut de citoyens français. Donc mhm. ils sont assimilés. Maintenant, tout le reste des Nigériens étaient des sujets français, donc des indigènes. C'est à eux euh, que, c'est eux qui relèvent de la compétence des tribunaux du premier degré. Et, les, autres déféraient leurs affaires devant les tribunaux du second degré. Donc, telle était la justice coloniale en, Occident. Comme vous le constatez, c'est une justice à deux paliers, faisant une distinction entre les différentes couches sociales, mhm. selon qu'ils agissaient des citoyens ou des sujets français. Mhm. Cependant, la résolution de certaines affaires indigènes et procès délicats incombaient un dernier ressort à la Cour d'appel de l'Afrique occidentale française qui était basée à Dakar. Au Sénégal. Au Sénégal, à Dakar. Mhm. À cette époque, au Niger, il n'existe qu'une seule juridiction de droit moderne et qui était établie à Zender, alors capitale de la colonie. Dont ressort, mhm. et son ressort était l'ensemble du territoire de la colonie du Niger. Mhm. Et elle fut transférée, donc cette capitale étant transférée à Niamey, qui était devenue la nouvelle capitale, donc cette mhm. juridiction aussi a été transférée au niveau euh, de, de Niamey. Et pour l'application du droit local, donc les tribunaux du premier décret qui étaient installés dans les chefs-lieux de subdivision. Mhm. Dans tous les chefs-lieux de subdivision, il y avait des tribunaux du second degré faisant office de juridiction et au niveau des, euh, des, premiers degrés. Et maintenant, les décisions rendues par ces juridictions du premier degré, n'est-ce pas, étaient déférées devant les juridictions du second degré. Et ces juridictions de, de second degré n'existent que dans les chefs-lieux des, euh, des, des, colonies. Donc, par exemple, pour le Niger, le, la juridiction du second degré est à Niamey. Mhm. Quand vous prenez pour le Mali, la, la juridiction du second degré est à Bamako au Sénégal, la, la jonction du premier degré du second degré se trouvait à Dakar, plus la, la, cour d'appel, la juridiction faisant la, la d'appel. Donc cette forme de justice inégalitaire, n'est-ce pas, n'a pris fin qu'à 1944, après, avec euh, la conférence de Brazzaville, mhm. qui a vu la suppression de l'indigénat. Mhm. Donc avec la suppression de l'indigénat, il y a un nouveau système judiciaire dit moderne qui a été institué en Afrique occidentale, avec euh, notamment une cour d'appel à Dakar qui se situe au-dessus de toutes les juridictions de l'Afrique occidentale française et du Togo. N'est-ce pas Et dès 1946, les tribunaux appelés justice de paix à compétence donc étendue dans toutes les capitales des anciennes colonies. Donc les, tribunaux de premier degré là, été transformés en justice de paix, n'est-ce pas, à compétence étendue. Mm-hmm. Et, maintenant, les tribunaux de moindre importance, appelés justice de paix à compétence restreinte, ça, c'est les tribunaux de premier degré là. Et ils sont installés dans les chefs-lieux de subdivision administrative et ils ont à leur tête des administrateurs d'outre-mer. Voyez-vous. Donc, grosso modo, vous avez vu l'évolution. Au premier temps, c'était des juridictions du premier degré et des juridictions du second degré. Il y avait une seule juridiction de second degré qui se trouvait au chef-lieu de, de, de, la colonie et les, les, du, premier degré étaient au niveau de toutes les chefs-lieux, euh, de tous les chefs-lieux des subdivisions mhm. Et on a évolué vers la justice de paix, n'est-ce pas, à, compétence étendue et de justice de paix à compétence restreinte. Jusqu'à donc, euh, jusqu'à donc euh, tout récemment, hein, mhm. à partir jusqu'aux indépendances. Mhm. Et suivant ce schéma, il a été créé à Niamey une justice de paix à compétence étendue, 13 mhm. justices de paix à compétences restreinte, comme je le disais tantôt, établies à l'intérieur du pays, notamment à Zender, à Maradi, à Tawa, à Koni, à Gingimi, à Dosso et à Tilaberi. Et ce jusqu'en 1950, comme je l'ai dit. Mhm. Date à laquelle la justice de paix à compétence étendue de Niamey fut érigée en tribunal de première instance. Et la justice de paix à compétence restreinte de Zender en justice de paix à compétence étendue, suivi de Maradi, de Tawa, de Koni, de Gingimi, de Dosso et de Telaveri. À partir de 1956, à la faveur donc de la loi cadre, les importantes améliorations étaient apportées à la gestion du système colonial dans son ensemble et ont impulsé donc un, un essor significatif au système judiciaire. Ainsi, à la Cour d'appel de Dakar se sont adjointes des sections d'appel qui sont établis à Abidjan, Bamako et Cotonou. Et de même que plusieurs justices de paix à compétence étendue ont été érigées, dans les, euh, ont été en tribunaux de plainte pendant que disparaissent les justices de paix à compétence extrême. Si j'ai parlé de Dakar, d'Abidjan et de Bamako, parce qu'au début, Niamey dépendait de Dakar. Progressivement, Niamey dépendait, a, dépendu du moins d'Abidjan. Mm. Et vers la fin, Niamey est venu dépendre de Bamako puis de Cotonou relativement aux affaires en appel. Qui étaient alors donc euh, les principaux acteurs euh, de cette justice à l'époque Ce sont des administrateurs coloniaux qui étaient euh, au niveau de toutes les colonies. Hmm. Pour les juridictions les moins de moindre importance, c'est des simples administrateurs. Mais pour les juridictions qui, sont, euh, qui, qui, connaissent des affaires des citoyens français assimilés, mm. là, on ne prend pas le risque de confier des affaires à des administrateurs. Donc, c'était des magistrats, c'était des, juges mm. ouais, qui connaissaient de ces affaires. Mais pour toutes les affaires de moins d'importance qui concernent euh, les indigènes, là, c'est des administrateurs qui, qui, qui connaissaient des affaires et qui tranchaient. Pour mieux cerner cela, mhm. s'il faut retenir à quel moment le Niger a connu sa première euh, juridiction et comment se faisait le jugement pour les affaires en appel. Donc, comme je, l'ai dit, la première juridiction du Niger, c'était le tribunal de premier degré qui était, qui était euh, installé à Zender, mhm. alors capitale, De, la, colonie. ce, tribunal a été transféré donc à Niamey par la suite. Mhm. et les affaires et les appels donc des décisions rendues par ces juridictions étaient déférés à la cour d'appel d'abord. J'ai dit de Dakar. Mhm. Ensuite, c'est revenu au niveau des, des juridictions d'appel de Bamako, d'abord de, d'Abidjan, ensuite Bamako et enfin Cotonou, hmm. avant que le Niger euh, ne crée euh, sa propre juridiction d'appel et qui était intervenu le en 1959 avec euh, la loi numéro 59-24 qui porte réorganisation de la justice et qui, et qui, crée, un, et qui crée un tribunal supérieur d'appel, mhm. n'est-ce pas pour mettre fin à la dépendance, de la dépendance du Niger vis-à-vis de la, du tribunal de la section d'appel de Cotonou. Donc euh, la première cour d'appel date de 1900. 59. Quelles sont les grandes modifications et transformations que connaît le fonctionnement de la justice euh, ces dernières euh, décennies, monsieur le directeur Donc, euh, le paysage judiciaire nigérien a subi plusieurs modifications et transformations par différents textes intervenus en 1980, en 1993, en 1999, en 2004 et en 2016 et puis tout récemment en 2018. Et ces transformations et modifications des textes ont eu pour corollaire la création des cours d'appel, la transformation des sections, parce qu'on avait des sections de tribunaux en son temps qui ont été transformées en tribunaux de première instance, puis en tribunaux régionaux et en tribunaux de grande instance. Aujourd'hui, mhm. on a on a partout des tribunaux de grande instance dans tous les chefs-lieux de région mhm. hein, et dans deux localités qui ont un régime particulier, à savoir Kony et Alit, et la mutation des euh, délégations judiciaires ou en tribunaux d'instance parce que étaient ces, juridictions étaient de justice de paix. Après, on les a transformés en délégations judiciaires, puis en tribunaux, euh, en tribunaux d'instance. Voilà, donc euh, c'est ce qu'on peut dire grosso modo de ces euh, transformations. Et d'ailleurs, il y a même une tendance à la spécialisation, parce qu'on a créé beaucoup de juridictions spécialisées pour se mettre dans la cadence de l'évolution de la justice moderne et que le Niger ne doit pas rester à, l'écart, et surtout avec le développement de nouvelles formes de criminalité. Et donc on a, euh, on a euh, vu euh, qu'il était nécessaire donc, de créer de nouvelles des juridictions hein, pour vraiment contenir ces formes de criminalité. Je pense à au pôle euh, terroriste, le pôle antiterroriste, mhm. je parle euh, au pôle euh, du pôle économique, je parle du tribunal du commerce, etc. Hein, etc. Voilà, L'administration, on avait vu qu'elle avait donc été assurée par les colons, si on peut le dire. Oui. mais à quel moment le Niger a commencé à avoir ses premiers magistrats pour avoir en charge la gestion de cette justice en tant qu'institution voilà. Et je voulais dire que le Niger a vu la nomination de son premier juge en 1963. Le premier juge nigérien. Oui, à la mhm. personne de feu Ahmed Bakari, mhm. qui après était devenu même notaire. Donc, euh, mais avant lui, la justice était vraiment rendue par des administrateurs. Mhm. Euh, qu'ils soient des administrateurs, on parle même d'administrateurs civils, euh, qui soient des administrateurs coloniaux purement euh, euh, français ou des administrateurs, hein, je veux dire, comme vous et moi, noirs, mm-hmm. hein, mais qui étaient quand même <laughs> hein, des, pour la plupart soit des Nigériens, soit des, expatriés, mm-hmm. mais qui faisaient quand même partie de la, du grand ensemble de la colonie française. Voilà. Donc il a fallu du temps pour arriver à ce Pour arriver, il a fallu du temps et après la après Bakary, petit à petit, donc euh, on commençait à former des magistrats et pour arriver au nombre que nous sommes aujourd'hui et qui est même, euh, à mon sens, très, très, très insuffisant, puisqu'on est moins de 400, on doit être 399. Donc en 1963, c'était un seul magistrat. Un magistrat, oui. Actuellement, environ 400. 400 magistrats. 400 magistrats. Monsieur le magistrat, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la justice est réellement accessible euh, à tous les citoyens Bon, moi, c'est un point de vue personnel que je dois émettre. La justice est un service public. Mm. Et les gens ne s'adressent à la justice que quand ils ont des problèmes. Et la justice est l'institution chargée conventionnellement par les citoyens à prendre en charge les questions de règlement des conflits pouvant s'élever entre citoyens. Et je pense que la Convention, qui a reconnu à la justice ce droit, sinon ce devoir, j'allais de rendre la justice, c'est la Constitution. Et partant, pour moi, la justice est au service de tous les citoyens qui s'adressent à elle pour voir le règlement de leurs différends. Et pour moi, la justice a longtemps été considéré comme le dernier rempart auquel les citoyens doivent recourir pour qu'ils aient satisfaction. Certes, ce n'est pas une opinion très partagée. D'aucuns pensent que la justice, en tout cas quoi qu'on pense de la justice, je ne vais pas <laughs> rentrer dans des diatribes, mhm. la justice est le dernier rempart et qu'elle est accessible à tous les citoyens qui en font la demande pour qu'elle soit rendue. Et d'ailleurs, dans la Constitution, il est dit la justice est rendue au nom du peuple. Sur l'ensemble du territoire. Voilà, sur l'ensemble du territoire. Moi, c'est mon opinion. Peut-être des gens peuvent avoir des opinions divergentes ou dissidentes. Ça veut dire qu'elle existe, les citoyens peuvent aller vers elle. Vers elle. C'est une institution qui est là, qui a un rôle de de sauvegarde de la paix, qui a un rôle de, de, de, baromètre, de, de baromètre, de, de mesure de la quiétude sociale, et elle est là aussi pour défendre les plus faibles afin qu'une que les plus faibles n'aient pas l'impression que c'est les plus forts euh, qui sont qui dominent dans un procès. Donc la justice est là pour équilibrer, pour réguler les rapports sociaux. La justice, on le sait, elle est hiérarchisée et quelle est actuellement la hiérarchie que nous avons au niveau des institutions judiciaires. Nous avons par exemple les juridictions au premier degré, on parle de tribunaux de grande instance, de tribunaux d'instance, tribunaux d'arrondissement, tribunaux communaux. Expliquez-nous tout cela, la hiérarchie, c'est quoi, comment ça se passe Très bien. Et tout récemment, il y a d'abord la loi qui était la loi de base mhm. de l'organisation du CERF, mais elle a connu euh, plusieurs modifications, notamment en 2004 et tout récemment en 2018. Et la justice est basée sur ce qu'on appelle le double degré de juridiction. Mhm. Le double degré de juridiction s'entendant d'un principe qui permet à tout citoyen qui, une fois son affaire jugée en première essence, n'est pas content, de faire réviser ou de faire revisiter son affaire, revoir son affaire par une autre juridiction un peu plus supérieure. Mmh. Donc, les juridictions du premier décret sont les juridictions entre griffes subalternes. Et Balten, ça veut dire en bas. En bas. Hum. Donc, ils sont au bas de l'échelle. Et c'est elles qui analysent au prime, au, au abord les affaires dont elles ont été saisies. Et ces juridictions, ce sont les tribunaux de grande instance que l'on retrouve dans tous les chefs-lieux de région, plus Kwani et et, Arlette dont j'ai parlé tantôt. On a les tribunaux d'instance qui sont dans tous les chefs-lieux donc euh, d'arrondissement et de, département. On a les tribunaux d'arrondissement communaux qui existent au niveau des villes qui ont euh, euh, des arrondissements. Mm. Donc on a érigé des tribunaux, on a créé des tribunaux d'arrondissement communaux. Et on a les tribunaux communaux qui existent, qui sont dans le ressort de toutes les communes. Et maintenant, les nouveaux départements érigés, n'est-ce pas mm-hmm. euh, euh, au, niveau, de toutes les communes, j'allais m'arrêter là. Donc, ce sont ces juridictions qui connaissent, n'est-ce pas, des affaires en premier ressort. Mm-hmm. Plus maintenant, certaines juridictions spécialisées tels que le tribunal euh, euh, du travail, le tribunal de commerce, mhm. les chambres spécialisées des cours d'appel, et les chambres spécialisées, les, les, pôles spécialisés, mhm. n'est-ce pas Donc, ces juridictions connaissent en premier ressort des affaires dont elles sont saisies. Mhm. Donc, c'est des juridictions qui se trouvent au niveau du bas de l'échelle. En appel, il y a trois cours d'appel pour le moment. Mais la loi récente, c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a une nouvelle loi, la loi de 2018, hmm. qui est venue créer une cour d'appel au niveau de chaque région. Est-ce que ces cours d'appel sont déjà effectives, c'est-à-dire opérationnelles eh, Pas encore. Hmm. Il n'y a que trois qui sont. il y a deux qui sont réellement opérationnelles et une est en train est sur la voie de l'être. Oui. Les deux cours d'appel pour le moment sont celles de Niamey et Maradi et, mhm. Et tout récemment, on a installé le, tribunal, le, la cour d'appel de Tawa. Mhm. Et malheureusement, hein, on n'a pas encore le local, mais on est en train d'avoir le local. Et ils vont s'installer très prochainement. Voilà les deux doubles degrés de justice Maintenant, il y a les hautes cours. Ça veut dire déjà à ce niveau, si une affaire est jugée au niveau, par exemple, d'un tribunal communal, le tribunal, par exemple, du 3e arrondissement, mhm. si le citoyen n'est pas d'accord, où est-ce qu'il peut faire appel Est-ce qu'il peut encore aller au tribunal euh, de grande instance oui. ou place de Niamey Oui, voilà, c'est une question. C'est là où mhm. je voulais en venir parce que pour les affaires, parce que nous, on a un régime dualiste. Mhm c'est-à-dire en deux parties. Voilà, on a un régime dualiste, c'est-à-dire au Niger, on a la coutume et la loi. Mhm. Il y a coexistence de deux régimes juridiques, le régime de la loi et le régime de la coutume. Mhm. Quand c'est une affaire qui relève de la coutume, quand la juridiction saisit, normalement c'est une juridiction à laquelle la loi a attribué la compétence de connaître des, affaires coutumières. Et nous, on les connaît, on sait quelles sont ces juridictions, puisque la loi les a eh, énumérées. Quand ces juridictions rendent en première instance leur décision, si la, une des parties n'est pas contente, elle saisit la juridiction supérieure. Dans ce cas, c'est le tribunal de grande instance qui sera compétent. Donc, le tribunal de grande instance est en quelque sorte une juridiction d'appel des affaires coutumières rendues par les juridictions euh, inférieures que sont le tribunal d'instance mhm. et le tribunal communaux. Voilà la particularité. Parce que nous, et ça, c'est spécialement pour les affaires coutumières. exclusivement pour les affaires coutumières. Mhm. Et maintenant, ces juridictions ont un taux de compétence. Quand c'est une affaire coutumière, le taux n'est pas déterminé, quel que soit un exemple d'affaires, un exemple d'affaires coutumière, c'est par exemple le divorce. C'est ça Oui, le divorce, euh, bon, je vais dire divorce quand les personnes sont, se sont mariées sous la coutume. Mhm. Parce que quand vous vous mariez sous la loi, <laughs> ce n'est plus, <laughs> plus la compétence du juge euh, communal, ce serait la compétence du tribunal de grande instance. Mhm. Voilà la différence. Mais par exemple, quand vous êtes de statut coutumier, là, quand euh, vous avez une affaire, vous allez vous adresser aux juges de proximité qui sont les juges communaux, les juges euh, des arrondissements communaux à Niamey. Mais si vous êtes marié sous l'empire de la loi, là, vous allez vous adresser au tribunal de grande instance pour le divorce. Ça veut dire quoi être marié sous l'empire de la loi Très bien. Euh, c'est quand vous, vous optez, c'est une option, hmm. vous optez pour la loi. Et comment opter pour la loi Vous célébrez votre mariage à la mairie et au niveau de la mairie. Parce que même là, ce n'est pas suffisant. Hmm. Vous dites que vous allez vivre dans tel... Vous allez, par exemple, la, la communauté des biens, vous allez préciser tout. Hmm. Est-ce que vous comprenez Et là, vous dites que vous allez être régi voilà, par la loi. Vous dites, vous précisez que vous allez être régi par la loi vous le dites et ça sera mentionné dans votre, euh, dans votre euh, document de voilà, mariage. De mariage. Mais si ce n'est cela, très généralement, parce que y je vois beaucoup de gens qui se marient, euh, je sais pas, un mariage coutumier dans le quartier, après ils se transportent à la mairie, tout ça n'est pas suffisant hein, pour dire que non, on s'est marié sous la. Il faut préciser que on s'est marié sous la loi. Et comment le préciser Comme vous dit, vous l'avez dit, il y a le régime, le régime matrimonial. Hein, ça, soit vous, le régime, c'est la communauté ou la séparation des biens. Vous allez préciser aussi que eh, ce que vous avez dit monogamique ou polygamique, vous allez préciser quand, c'est un mariage monogamique, on va présumer que c'est un mariage eh, régi par la loi. Mm. Maintenant, vous allez dire expressément que votre mariage est soumis au droit civil. Là, c'est clair, c'est net. Mm. Mais si ce n'est cela, vous allez toujours être considéré comme une personne de statut coutumier. Voilà. Vous avez expliqué les appels pour les affaires coutumières qui mhm. peuvent aller au niveau d'une euh, juridiction appelée tribunal de grande, instance. Maintenant, de façon générale, quand un citoyen n'est pas content d'une euh, décision de justice, on dit qu'il faut aller vers la cour d'appel. Comment ça se passe Pour les affaires, pour les appels, en euh, matière euh, devant la cour d'appel, mm. il y a deux cas. Le premier cas, c'est les tribunaux de grande instance, quand ils rendent des affaires en première et dernier ressort. Voyez-vous Donc, c'est une affaire civile. Donc, l'affaire civile est relevant de la compétence du tribunal de grande instance. Mm-hmm. Quand le, tribunal rend sa décision, quand une des parties n'est pas contente, elle saisit la cour d'appel. Maintenant, il y a le deuxième cas. Il y a aussi les tribunaux d'instance. Pour des affaires civiles, eux aussi, et du moins, elles aussi, euh, c'est le tribunal d'instance, eux aussi, mhm. pour les affaires civiles dont le taux de compétence relève de ces juridictions. Par exemple, jusqu'à euh, récemment, on a dit 5 millions. Avant, c'était 1 million. 1 million. Quand le taux du litige est civil est de moins de 1 million, c'est le tribunal d'instance qui connaît de l'affaire. Il y a un verdict quand la personne n'est pas contente. Au lieu d'aller au tribunal de grande instance, comme dans les affaires coutumières, l'affaire est déférée devant le tribunal et euh, devant la cour d'appel. Mhm. Maintenant, quand le taux de compétence dépasse le taux de compétence des juridictions, hein, des, juridictions d'instance, c'est les tribunaux de grande instance qui sont compétents. Et c'est en ce moment que, lorsqu'ils rendent leurs décisions, leurs décisions sont frappées d'appel et que et euh, ces décisions sont déférées devant la Cour d'appel pour être rejugées. Le délai pour aller à la Cour d'appel, c'est combien de jours Bon, normalement, c'est deux mois, je pense. Hein. Deux mois, si je ne me trompe. Mhm. C'est des questions, il faut, il faut connaître le code sous les yeux, il faut le code de le procédure, code de procédure oh, pénale. non, de procédure civile. Mhm. Parce qu'en matière pénale, les délais d'appel sont différents que euh, qu'en matière civile ou en mhm. matière pénale, etc., en matière commerciale. Ça dépend des affaires. Chaque affaire, chaque matière a des délais pour interjeter appel. Maintenant, une fois... coutumière aussi, il y a des délais. Maintenant, une fois à la cour d'appel, la décision qui a été donnée en première instance peut être cassée, c'est-à-dire on peut infirmer ou confirmer. Après cette décision, est-ce qu'il y a une autre voie de recours Voilà, donc ça, euh, il y a une voie de recours, ce qu'on appelle la voie de recours extraordinaire, mhm. et c'est le pouvoir en cassation. C'est-à-dire à la Cour suprême. Voilà, à la Cour de cassation. Mhm. Voilà, c'est l'ancienne appellation, la Cour suprême, c'est la Cour de cassation. Et là, c'est très généralement une juridiction qui rend pas, euh, qui n'examine pas les faits. Mhm. Elle vérifie simplement si la loi a été bien ou mal appliquée. C'est ça. Donc, elle a un rôle de contrôle. Un rôle de contrôle de la bonne ou de la saine application de la loi. Mais elle, ne, visite pas les faits, elle ne rend pas une décision de fait. C'est elle. Voici, à dans le cas d'espèce, la loi a été appliquée, a été bien ou mal appliquée au fait. C'est ça, on appelle le pouvoir en cassation. voilà, donc la Cour examine. Mhm. Si le droit a été bien appliqué, la Cour rejette. Si le droit a été mal appliqué, la Cour casse. Elle dit le droit a été mal appliqué et elle renvoie les parties et la cause devant la même juridiction, mais autrement composée. Mhm. Et elle dit au juge de reprendre le jugement en fait, parce qu'elle elle a vu que le droit a été mal appliqué. Donc, elle invite les juges à bien appliquer le droit au fait. Mhm. Voilà, donc c'est un organe de contrôle de la saine application de la loi. Le rôle du, de la Cour de cassation. Il en est de même du Conseil d'État, parce que pour le moment, nous, on a le Conseil d'État, c'est vrai, mais le Conseil d'État connaît euh, des recours pour excès de pouvoir, n'est-ce pas, ou de décisions rendues par les tribunaux de grande instance en matière administrative. Et comme on n'a pas encore les tribunaux administratifs distincts hein, comme ordre. Pour avoir une hiérarchie. Voilà, donc ces affaires sont déférées n'est-ce pas, en cassation devant le Conseil d'État. Mais le tribunal de première instance, qui connaît d'une affaire administrative, rend sa décision. Hein, quand on n'est pas content, le tribunal de grande instance, on fait appel devant la Cour d'appel. La Cour d'appel rend sa décision quand on n'est pas content, on va devant le Conseil d'État. Cette fois, ce n'est plus la Cour de cassation, mais le Conseil d'État en matière administrative. On dit que le Conseil d'État, une fois qu'elle rend sa décision, on ne peut plus faire du recours. Voilà. à ce niveau, on ne peut plus faire le pouvoir en cassation. On ne peut plus revenir. Parce qu'on fait pouvoir devant le Conseil d'État. Mhm. Parce que Parce qu'il faut différencier à deux, deux, deux, matières. Mhm. Il y a le contentieux administratif, n'est-ce pas Donc, il y a le plein contentieux et le recours pour excès de pouvoir donc le plus contentieux, c'est ce qui commence du tribunal jusqu'au Conseil d'État. Mhm. Mais le recours pour excès de pouvoir, pour le moment, au Niger, il n'y a que le, Conseil d'État qui en connaît, mhm. qui est la seule juridiction compétente pour connaître des recours contre les actes de l'administration. Monsieur le magistrat, la Constitution dit que les décisions de justice s'imposent à tous et aux citoyens, au pouvoir public. Ça veut dire que quand il y a une décision de justice euh, qui est rendue, quelle est l'attitude que le justiciable doit avoir On devait aider à l'exécution de la décision de justice. C'est-à-dire l'accepter si on ne veut pas faire de recours. Voilà. C'est-à-dire dès que les voix, parce que c'est quand la décision de, la décision de justice est devenue définitive et exécutoire. Mhm. Donc. C'est vrai, on dit souvent exécutoire. À ce niveau, qu'est-ce que ça veut dire Exécutoire veut dire qu'on a rempli toutes les formalités. Parce que d'abord, il y a la décision qui est devenue définitive. Mhm. il n'y a plus d'autres voies de recours à prospecter. Donc, on a épuisé toutes les voies de recours. La décision est devenue définitive. Maintenant, l'exécutoire, il faut apposer la formule. Mhm. Donc il y a des formalités à remplir pour rendre la décision exécutoire. Donc il faut la grossoyer. Et muni de, la grosse, on va, en exécute. Mhm. Et là, la décision de la justice, comme vous l'avez si bien dit, il y a une disposition de la Constitution qui dit qu'elle s'impose à tous, citoyens comme pouvoir public. Donc on ne doit pas dire que non, non, non, on doit aider. On doit aider à la mise en œuvre de cette décision. Sinon, si vous avez une décision entre vos mains et que vous ne pouvez pas exécuter, c'est du, <laughs> du papier, ça, sans importance. Donc, quand on rend la décision, tout le monde doit accompagner celui qui a sa décision, n'est-ce pas, pour l'exécuter. Et là, on doit prêter main forte, comme on le dit, à l'exécution de cette décision de justice. Nous sommes vers la fin de cette émission. C'est de savoir à présent comment un citoyen peut saisir la justice, où est-ce qu'il faut aller, comment ça se fait. Très bien. Et la saisine d'une juridiction dépend de la matière dans laquelle on se trouve. Quand, par exemple, je prends un exemple banal, quelqu'un vous gifle. Mhm vous avez une petite incartation, euh, euh, intercation et elle vous gifle. Cette gifle, vous allez vous adresser vers qui Bon, très généralement, les gens... Habituellement, les gens vont au commissariat. <laughs> voilà. Et des vont aller prendre une <laughs> convocation. Maintenant, vous pouvez aller au procureur, euh, vers le procureur, Directement. voilà, mhm. et le saisir d'une plainte écrite pour lui dire, cette la pouvez verbalement déposer au niveau du procureur une plainte, de hmm. saisir d'une plainte euh, verbale, mais par écrit serait mieux, puisque l'écrit reste traces. que j'ai été victime d'une gifle et le procureur maintenant va mettre en mouvement l'action publique, va décider voir si ça là, ça vaut bien que une euh, poursuite, voilà une poursuite, etc. Hmm. Très bien. Maintenant, quand vous êtes licencié, vous êtes un travailleur, et puis, je ne sais pas, vous venez en retard et on vous met à la porte. Il faut savoir à qui s'adresser, à quelle juridiction. Là, vous allez vous adresser au tribunal de travail. Mais c'est que pour le tribunal du travail, il y a une procédure. Il faut une conciliation préalable devant l'inspecteur de travail. vous devez saisir l'inspecteur de travail pour qu'il dresse un procès verbal de conciliation ou de non-conciliation. C'est le procès verbal de non-conciliation qui saisit le, euh, le euh, comment on appelle ça, le tribunal. Maintenant, si vous êtes un fonctionnaire de l'État et qu'un un, jour vous trouvez un arrêt, parce que vous êtes nommé par arrêté, ou bien pas vous êtes nommé par décret, par un simple arrêté, mhm. on vous met à la porte. Vous devez saisir quand même quelqu'un. Mhm. Euh, voilà que vous êtes nommé par décret. Mais par un simple arrêté, le ministre dit non, vous, je vous mets à la porte. Donc il faut saisir une injonction pour que vous soyez remis dans vos droits. Là, vous allez saisir le Conseil d'État, parce qu'il s'agit d'un axe administratif. D'abord, il y a le parallélisme des formes. Vous êtes nommé par décret et un simple arrêté met fin à vos. Alors que vous êtes nommé par décret du président de la République. Et voilà un arrêté du ministre qui, vous, qui met fin à vos fonctions. Mais il faut attaquer l'acte. donc là, vous, allez savoir à quelle juridiction vous allez vous, adresser. Ou bien voilà que, je sais pas, un commerçant hein, qui, euh, je sais pas, vous vend quelque chose, euh, un véhicule, et que après vous découvrez qu'il y a des vis cachés. À qui vous vous adressez Au tribunal de commerce donc, il faut savoir d'abord, selon la matière, à quelle juridiction on doit s'adresser. Il faut savoir la juridiction vers laquelle on doit tendre en cas, euh, en cas de problème. Donc c'est la saisine, savoir quelle juridiction saisir. Est-ce qu'il y a une structure de l'État qui peut aider les citoyens à comprendre cela ou bien les citoyens sont laissés à eux-mêmes ah, <laughs> Ils sont laissés à eux-mêmes. ils ont des avocats parce que généralement les gens se font... Euh, assister d'un conseil. À défaut, ils vont, ils s'adressent au, ministère de la Justice deux fois. Et il y a même des bureaux au niveau des juridictions, euh, bureaux information, tout ça là. Donc il y avait des bureaux que c'est un projet, le, paget PAGED avait mis à la porte des juridictions mhm. pour que des gens qui ne savent pas viennent se renseigner. Euh, mais très généralement, bon, les citoyens sont des à eux-mêmes. donc euh, quand vous avez une affaire de divorce, <laughs> vous ne savez pas à qui vous allez vous adresser. Donc, ben, bon. Mais quand même, il euh, y, a, quand même des, structures qui existent et qui orientent, qui informent les gens relativement à leurs droits. Hmm. Parce que la plupart, c'est justement ça le problème, la plupart des citoyens trouvent que la justice, bon, certains le disent, hein, est un peu inaccessible, qu'ils ne savent même pas où aller. Et alors, ils disent tout simplement que, bon, ça va, <laughs> Mais je, ce que... Eh, il faut toujours s'adresser à la une fois parce que il n'y a pas de localité où, en tout cas de grande agglomération, où il n'y a pas un bâtiment de la justice. Une fois que le citoyen s'adresse au service de la justice, on saura l'orienter. En tout cas, à ma connaissance, tout magistrat que l'on qu'on trouve à quelque endroit que ce soit auquel on s'adresse pour lui diriger tel problème, il va vous écouter et il va vous orienter. Parce que les magistrats ne jouent pas seulement les rôles de juge, des fois aussi, ils orientent et ils assistent les citoyens. Ça, au moins, j'en suis témoin. En matière de justice, on dit aussi qu'un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Ça veut dire que les citoyens sont aussi appelés à s'entendre, c'est ça, monsieur oui, le il, y a, il y a ce qu'on appelle euh, des mesures alternatives à la justice. Donc, il y a la médiation et la conciliation. Et dans certaines matières, la conciliation est même obligatoire. Quand vous prenez le, en matière de, conflits sociaux, je veux dire, en matière de, de, tribunal de travail, il y a la conciliation qui est obligatoire. En matière de divorce, il y a la conciliation obligatoire. Le juge essaye de faire en sorte que le couple s'entende. Il va tout faire. Et mhm. c'est pourquoi il donne même des délais, délais, délais, délais. <laughs> Non, non, il y en a qui voient que c'est long. c'est long, c'est une conciliation qui est obligatoire que la loi impose au juge pour ne mhm. pas décider de casser euh, un lien, hein, alors que les conséquences sont de fois fâcheuses. Les enfants. Voilà, surtout, surtout, surtout. Mhm. Ah ouais. Merci à vous. Euh, nous avons eu euh, comme euh, invité pour ce forum le magistrat Moussa Douma Hamidou. Il est par ailleurs le directeur des affaires civiles, coutumières et des ordres professionnels au ministère de la Justice. Nous sommes euh, donc euh, au terme de cette euh, émission. Nous retenons que la justice nigérienne a connu des progrès importants. Il a expliqué, nous étions à un juge de paix nigérien en 1963 à aujourd'hui environ 400 magistrats repartis sur l'ensemble du pays. Le forum du studio Kalangu de ce soir a eu pour thème la justice nigérienne historique et organisation. Monsieur Moussa Douma Hamidou, directeur des affaires civiles, coutumières et des ordres professionnels au ministère de la Justice. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation de Studio Kalangou. Merci à vous également, chers auditeurs euh, qui nous avez suivis au micro. C'était Michel Degé pour la présentation de cette euh, émission. À la technique, euh, Abdoulaye Yakouba, la réalisation de cette émission est assurée par vous. Diallo. Rendez-vous demain à la même heure pour un autre numéro du Forum de Studio Kalango. Passez une excellente soirée et au revoir.